le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi FM 90.1 9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau de nos 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir dresse le bilan de l'organisation d'un des piliers de l'islam, à savoir le Hajj édition 2017. Les autorités saoudiennes ont augmenté le quota des pèlerins cette année ce sont 800 000 personnes de plus que l'année dernière qui devraient être accueillies en Terre Sainte, ce qui a rapporté le total de pèlerins à 2,6 millions contre 1,8 million en 2016. Pour le cas du Niger, le Royaume d'Arabie a accordé 15 800 places à notre pays, mais le Niger n'a pu enregistrer qu'un peu plus de 10 000 candidats. En principe, deux compagnies aériennes ont acheminé les pèlerins nigériens. Il s'agit du Niger Airways sous-traitant du Max Air et Ambali Airways qui sous-traite avec des compagnies saoudiennes. Le tarif fixé pour le compte du H euh, 2017 s'élève à 2 238 845 000 francs CFA. Contrairement à l'année précédente, ce tarif a connu une hausse beaucoup plus importante. Cette augmentation pourrait expliquer pourquoi le Niger n'a pas pu enregistrer le quota à lui attribué par l'Arabie saoudite. Dans ce forum, nous ferons le point de l'organisation du début jusqu'à la fin du Hajj 2017, les conditions de séjour des pèlerins nigériens, le rôle du coho sur place et celui des encadreurs des agences sur chaque étape du rite, les vols aller-retour, les difficultés rencontrées, entre autres points qui seront évoqués dans ce forum du studio Kalangou. Pour en parler, nous invités dans ce studio, Mustafa Kadi, représentant du commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Mustafa Kadi, bonsoir. Bonsoir, euh, M. Nous avons en ligne le président de l'Association nigérienne des agences de pèlerinage à Naples, M. Momouni Amadou. Monsieur Momouni, bonsoir. Et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue au forum du studio Kalangou qui dresse euh, ce soir le bilan du Hajj 2017. Mustafa Kadi, avant de rentrer dans les détails de l'organisation du Hajj, ce n'est pas la première fois que vous participiez à l'organisation du Hajj au Niger. Sans vous jeter des fleurs, vous-même, comment le Hajj 2017 s'est déroulé D'abord, merci de nous avoir associés à ce débat. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être là, d'être présent avec vous pour euh, donc faire le point du Hajj 2017. Je retiendrai que le Hajj, ou si vous voulez, le pèlerinage à la Mecque, est une obligation religieuse. Vous l'avez si bien dit, mais impérative pour tout croyant majeur, parce que c'est à souligner, conscient et en bonne santé, qui peut financièrement se l'offrir sans en emprunter parce que qu'est-ce qu'on constate très souvent dans notre pays Ils sont nombreux les candidats au Hajj qui vont sans moyens. Et qui dit pèlerinage sans sans moyen cherche des difficultés pendant l'exécution du Hajj. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce, sur ce point bien précis à l'effet d'attirer l'attention des uns des autres. Vous avez évoqué euh, à l'introduction le nombre de pèlerins, c'est-à-dire euh, le nombre de candidats au pèlerinage. J'aimerais, si vous le permettez, euh, donner le vrai chiffre. Cette année, euh, le COHO a enregistré 13 751 candidats au Hajj. Et donc sur les 13 751, 13 450 se sont rendus à la main. Ils sont donc nombreux les Nigériens qui ont cherché le visa, qui ne l'ont pas obtenu. Ou certains ont obtenu le visa à la dernière minute, ils ont renoncé donc au pèlerinage. Là aussi, ça fait partie des épreuves du Hajj. Et c'est pourquoi dans notre jargon, souvent, on dit « Ah, il n'a pas été appelé ». C'est-à-dire qu'il n'est pas l'invité de Dieu. en, termes clairs. Maintenant, si nous revenons à l'organisation stricte, on peut peut-être euh, à juste titre dire que le Hajj 2017 s'est déroulé dans de bonnes conditions. D'accord, je reviendrai à vous. Voilà. Monsieur Moumouni, le Hajj 2017 a-t-il été presque parfait Bon, dire que le Hajj 2017 a été parfait, ça c'est trop dur. C'est vrai, c'est comme euh, Monsieur Mustafa Kadi a eu à le dire, il ne peut pas avoir de Hajj sans avoir de, de problème. Donc, euh, sur le plan du transport, donc euh, on peut dire que le transport du, person, du, du pèlerin en phase aller comme retour, il euh, n'y a pas eu de problème, uh-huh. en dehors du problème de bagages. Donc, euh, c'est un problème qu'il ne faut pas ignorer. Euh, donc, c'est vrai, les, pèlerins ont été transportés à temps aller comme retour, mais les problèmes de bagages persistent toujours. Monsieur Mustapha est en face de vous, donc il doit les reconnaître. Jusqu'à présent, il y a des milliers de pèlerins nigériens qui n'ont pas reçu leurs bagages. Jusqu'à présent. Et il y a eu des problèmes aussi au niveau du Milan. Comme vous le savez, les terrains nigériens, eh, comment dirais-je, euh, il y a quatre euh, bureaux qui s'occupent de leur hébergement et restauration, couchette et restauration. Donc il y a un bureau, bureau 38, Moustapha, il est parfaitement au courant de ça. Ça a été une catastrophe. Les gens, ils n'ont pas du tout manger à Mina parce que le restaurateur a été défaillant. Donc ça, c'est un problème. Donc c'est pourquoi j'ai dit dire que le de 2017 a été parfait, ça c'est trop dur. Mustafa Kadi, les vols aller-retour, est-ce que les calendriers ont été scrupuleusement respectés à la lettre Sinon, pour quelle raison Oui, je, confirme. Euh, il n'y a pas de doute. Cette année, et à l'aller et à la phase retour, tout s'est bien déroulé, conformément au programme tout s'est bien passé. D'ailleurs, le président, euh, enfin qui est à ligne, l'a si bien confirmé. Au niveau du transport, euh, Dieu merci, euh, nous n'avons pas connu de difficultés. D'accord, on va revenir sur cette question de restauration du MINA dans un instant. Monsieur le Président, au niveau de l'obtention des visas, quels sont les problèmes que vous avez rencontrer encore parce qu'on a entendu des agences qui, jusqu'au jour du vol de leur pèlerin, n'avaient pas de visa. Oh, le problème de visa est, lié aux prestations saoudiennes. Vous savez, au début, eh, les prestations saoudiennes, euh, comment a été eh, un peu bloquées pour nous. Mais heureusement, eh, le Coro a pris des dispositions pour que, comment la situation a pu, euh, comment être réglé à Donc ceux qui n'ont pas eu le visa, c'est comme euh, Mustafa Kadi vient de le dire, ce sont des retardateurs. Donc ceux qui sont venus euh, dès le les 13 751, donc 13 450 ont eu le visa. Donc mhm. les autres, peut-être, ça doit être un problème de passeport ou bien ceux qui sont venus après la fermeture des visas. Sinon, au niveau des agences, euh, toutes les agences, tous les chefs de groupe ont organisé des Hajj. Ils ont été reconnu par l'Arabie saoudite. Donc leur quota a été pris en compte. Donc, je ne vois pas vraiment, ce n'est pas vraiment le problème du passeport. Pourquoi Et ce qui peut empêcher vraiment un pèlerin vraiment d'avoir le visa. Mustafa Kadi, le problème du visa, est-ce qu'il n'est pas lié au comportement des agences et non des pèlerins Non, pas du tout. Pas, du tout. Euh, au contraire, euh, c'est lié à l'établissement du passeport. Parce que très souvent, je crois, au niveau de la machine, le teneur souvent n'est pas bon ou la couleur n'est pas bonne. Donc c'est au niveau du tirage que certaines lettres n'apparaissent pas comme euh, il le fallait. Si vous posez le, le passeport, puisque c'est la première page qu'on utilise au niveau des, consulats, eh bien, tant que le passeport n'est pas bien sorti, la machine rejette. C'est ce qui a fait qu'il y a eu certains pèlerins d'ailleurs qui ont repris leur passeport à deux reprises ou souvent même à trois reprises pour certains. Bon, il y a eu aussi des cas où les visas euh, ne correspondent pas c'est-à-dire on peut prendre le visa de M. Saini, le plaquer sous le, passeport de, de, Mustafa, ainsi de suite. Donc c'est des cas comme ça qu'on a connus, mais qui ont été très vite corrigés. D'accord. Le Niger avait, je le disais tantôt, un quota de 15 800 pèlerins. Il n'a pu acheminer que 13 450 pèlerins. Est-ce que le facteur coût peut être l'unique cause Peut-être c'est un facteur. Le coût est un facteur. Mais il y a d'autres raisons. Parce que euh, si on prend au plan mondial, vous savez qu'il y a une crise économique. Et donc cela est une des raisons. Maintenant, au Niger, très souvent, si vous prenez les, deux tiers, ils sont souvent envoyés en pèlerinage par les parents. Les parents, peut-être, n'ont pas assez d'argent cette année. Parce que très peu de Nigériens se prennent en charge euh, pendant le pèlerinage. Mais c'est souvent euh, les parents qui les envoient, mmh. le cousin, le beau-frère, ainsi de suite. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a enregistré beaucoup plus de femmes. Plus de la moitié, en tout cas des, pèlerins, hein. bon, étaient composés de femmes et de personnes âgées. Je crois que cet aspect aussi, si, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Parce que quand vous envoyez quelqu'un au-delà de 75 ans, vous lui donnez vraiment des épreuves où vous lui demandez des, efforts supplémentaires. imaginez une personne âgée de 75 ans à qui on demande des efforts supplémentaires, ce n'est pas du tout facile. Et je dirais peut-être une des raisons aussi qui explique le taux important des décès des personnes âgées. Puisque cette année, sur les 6 personnes décédées, les 5 sont des personnes âgées. 83 ans, 77 ans, 76 ans. Le plus jeune a 56 ans. Vous avez rencontré des difficultés avec eux particulièrement cette classe d'âge Oui, des difficultés, on, a en rencontre presque tous les jours avec les personnes âgées. Parce que si vous faites euh, un tour au niveau de la mission médicale, vous allez trouver un taux très important de personnes âgées. On peut continuer à rendre sensibles les parents. À un certain âge, il faut éviter d'envoyer son parent, puisqu'il est permis d'aller lui faire le hajj. Il y a cette possibilité. Il y a aussi un autre cas, peut-être qui est une première mais en tout cas, fondamentalement, cette année, c'est le taux le plus important. C'est-à-dire euh, des personnes euh, qui ont des troubles, c'est-à-dire psychiatriques, qui ne sont pas stables. Là, c'est certainement au niveau des contrôles, des visites, que le médecin traitant doit faire un peu attention sur les personnes qu'on envoie, c'est-à-dire sur les carnets qu'on délivre. Parce que là, franchement, euh, et le COHO et l'État du Niger ensemble doivent y veiller. Monsieur le Président, vous, vous êtes tout le temps presque plus en contact avec euh, les potentiels candidats au RAJ chaque année. Est-ce que pour cette édition de 2017, le coût a impacté beaucoup plus sur euh, la candidature euh, au RAJ Bon, quand vous regardez les quotas de l'année dernière, les quotas de l'année dernière étaient de 12 000 et cette année, en 2007, on a pu euh, convoyer 13 euh, 450, donc il y a plus de 450 pèlerins qui ont été, euh, comment convoyés de plus. Les facteurs prix, ce n'est pas les facteurs prix qui, qui jouent, mais il y a une crise mondiale qui est là, qui est vraiment par, qui reconnue vraiment par, ben, par, tout le monde. Il y a une tension de trésorerie, de, comment familles. Uh-huh. Donc ça, ça fait partie vraiment, c'est un facteur vraiment, comment dire, qui, a pu jouer vraiment que, pour qu'on a a pu vraiment euh, remplir vraiment les quotas des 15 Donc un effort a été déjà fait, donc il y a une augmentation de plus de 1 450 pèlerins. Et ça, c'est valable pour tous les pays du monde. Donc vous prenez euh, euh, l'exemple des pays qui amènent euh, trois fois ou bien quatre fois plus que les Niger, et même ils ont connu vraiment une régression vraiment par rapport à, ben, aux années antérieures. Donc vraiment, on peut dire que pour nous, les prix facteurs n'est pas euh, tellement, comment dirais pris euh, euh, en considération. D'accord. En tant qu'agence, quels sont vous, les problèmes que vous rencontrez avec les personnes âgées Bon, les personnes âgées, comment dire, les gros problèmes que nous, nous rencontrons avec les personnes âgées, c'est vrai, pour les personnes âgées, souvent les gens et, ils cachent vraiment euh, leur, identité avant de venir voir euh, comment euh, les agences. Mais il y a un service médical qui est là, il y a un certificat d'aptitude comment qui est livré aux pèlerins. Nous, une fois que le médecin comment donne son avis pour, que, pour dire que la personne est apte pour faire le Hajj, donc nous, on ne peut pas être contre. Mais le problème que nous rencontrons vraiment, si euh, euh, on combat avec les personnes âgées, si euh, les parents de, de, de la personne vraiment a de, de soins, il vaut mieux d'aller vraiment faire les radiopolique que vraiment faire de l'envoyer vraiment dans les gens. Vraiment, c'est un calvaire pour nous. on essaie vraiment à sensibiliser les gens parce qu'on a on a, on a pu quand même, euh, euh, comment dire, rejeter ou bien euh, refuser vraiment des candidats que, vu vraiment leur âge et vu vraiment leur état de santé, malgré qu'on leur a accordé vraiment le de, comment comment L'autorisation, mm. Donc, vraiment souvent, nous-mêmes, quand on voit que vraiment la personne va nous créer des problèmes vraiment en Arabie Saoudite, puisque la première personne vraiment qui est, qui est en permanence, qui est en face vraiment de pèlerin, ce sont les chefs d'agence et et encadreur. Donc, euh, c'est pourquoi vraiment les conseils qu'on donne vraiment aux, aux, aux gens, tout celui qui a vraiment son parent allié, vraiment de ne pas l'envoyer vraiment dans la D'accord, je reviendrai à vous. Mustafa Kadi, au nombre des services ayant subi des augmentations qui se répercutent sur le tarif euh, du H 2017, on note selon les informations la restauration et la couchette à Mina, le service donné au niveau de la station du Mont cela n'a pas empêché d'entendre euh, des pèlerins nigériens crier à la fin au cours du Hajj. Qu'est-ce qui s'est passé exactement D'abord, euh, nous l'avons noté, les candidats au Hajj cette année au Niger sont au-delà de 13 000. Mais il n'y a que 3 000 personnes concernées par, par cette question. Et plus, plus précisément, par cette question de prise en charge au niveau de Mina Par cette question de prise en charge au niveau de Mina. Ah oui. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous donner tous les détails. Puisque, euh, je le disais, euh, la question euh, concerne six groupes d'agences. Il y a le groupe Nassifa, qui était composé de 1409 pèlerins, ah suivi du groupe Didiari, composé de 324 pèlerins. Groupe Bonferrey, 484 pèlerins. Mhm. Groupe Al-Izza, 295 pèlerins. Groupe Rahama, 3772 pèlerins. Et enfin, groupe Al-Bayan, 569 pèlerins. Si vous faites la sommation, ça tourne autour de 3000 et quelques pèlerins sur 13 000 et quelques. Donc, je me pose la question suivante. Avons-nous le droit de dire que tous les pèlerins n'ont pas mangé à leur faim Donc reconnaissons qu'on doit revenir sur ce point, sur la réalité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé En vérité, euh, le jour de notre arrivée à Mina, le responsable du bureau 38, je remercie le président qui l'a si bien noté, avait été arrêté avec ses collaborateurs c'est-à-dire peut-être que c'est une malchance pour lui, il avait euh, recruté des Indonésiens. Et le service de l'immigration et la mairie donc, ont été certainement informés. Ils les ont pris. Et donc, à l'heure de la restauration, il n'y avait pas de service. Et d'ailleurs, immédiatement lorsque le constat a été fait, nous avions été invités pour nous rendre à la Muassasa. La Muassasa, c'est l'autorité saoudienne en charge des prestations des pèlerins. Donc, c'est l'autorité nationale. Puisque, euh, du point de vue organisation du Hajj, lorsque un restaurateur est défaillant, donc la Muassasa doit se substituer au restaurateur. Donc, elle, elle est déjà en contact avec euh, les hôtels et autres donc immédiatement, elle lance la commande. Alors imaginez, lorsque vous contactez la Moassa à 13h, le temps de lancer la commande de 3000 plats, ou peut-être plus, ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux heures. plus. Et donc, les pèlerins nigériens, enfin concernés, étaient servis en retard. Et je, je confirme, pendant tous les jours passés, Amina, ces pèlerins ont été servis, puisque la Mouassassa, avec preuve à l'appui, nous a démontré qu'elle a servi 52 000 plats à ces pèlerins, à ces 3 000 et quelques pèlerins. Donc, n'occultons pas cette information qui est très fiable. Et dire que les Nigériens n'ont pas été, n'ont pas été servis, je pense que c'est un peu exagéré. C'est ne pas connaître ce qui se passe. Parce que la restauration fait partie des critères d'obtention du visa. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la restauration, c'est-à-dire si vous versez les montants relatifs à la, restauration et, à la navette et peut-être euh, aux couchettes, cet argent va de compte en compte. Il ne passe pas par le COHO directement, mais il passe, il passe dans une banque et il est transféré dans la banque Saoudi-Francie. Donc directement. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, celui qui refuserait de verser les frais de, la restauration, les personnes concernées, là, ne, recevront pas de visa. Donc c'est pourquoi enlevons nous d'abord cette idée de dire qu'il y a ah, quelque part quelqu'un à, bouffer les sous. Ah, bon, peut-être que le mot me gêne un peu mais peut-être quelque part, euh, quelqu'un a fait une autre utilisation oh. avec. Ce n'est pas juste. Donc, cet argent a été réceptionné par la Mouassasa. Et c'est, il revient maintenant à la Mouassassa de faire la répartition. Et donc, au niveau de la répartition, elle, elle retient ce qu'on appelle la garantie. Donc, c'est la, c'est la garantie là qui a été utilisée pour servir les 52 000 plats au Nigériens et à la fin, la assa va certainement faire payer des, des, des, pénalités aux restaurateurs, concernés. Maintenant, plus tard, le commissaire, et euh, M. Gibrila Boukari, nous a dit, écoutez, il ne faut pas vous arrêter seulement à la substitution, puisque les Nigériens ont été servis à retard. Donc là, déjà, il y a préjudice. Maintenant, pour pallier à ce préjudice, il fallait engager une médiation. On a négocié pendant deux jours avec le restaurateur et il a accepté de rembourser les personnes concernées. D'accord. Et, le montant est important, si vous le permettez. D'accord, vous allez dire le, montant, plus, tard. Merci, monsieur. Monsieur, monsieur le Président Moumouni, euh, quel est votre avis par rapport justement à cette euh, question de restauration au niveau du Mina qui a fait effectivement couler, beaucoup d'encre du salif ici, surtout à Niamey, au Niger euh, Ce que je veux dire à, depuis l'Arabie Saoudite, moi j'ai intervenu à, la télé nationale. On n'a jamais incriminé X ou Y par rapport au contrat de, comment de, de restauration. Oui. Ce que nous avons déploré, c'est vrai, les visas est lié, vous savez, il y a des prestations, ce qu'on appelle prestations saoudiennes, qui sont à peu près 400 000 francs qu'on verse pour, euh, ah, ben, euh, pour, chaque pèlerin, avant d'obtenir les visas, dont fait partie couchette et restauration. Nous n'avons jamais dit que le Congo n'a pas, euh, comment signé le contrat avec les prestataires. Mais ce que, comment ce que nous déplorons, c'est que les anciens restaurateurs qui ont montré vraiment euh, leurs preuves, on les a félicités pendant les trois dernières années, on les a carrément enlevés pour amener de nouveau. Il n'y a qu'un seul restaurateur qu'on a gardé. Nous avons dit, mais s'il n'y a pas de choses en bas, s'il n'y a pas des intérêts visés, pourquoi on va enlever ces restaurateurs-là qui ont fait leurs preuves et qui, qui connaissent vraiment ce que les Nigériens veulent manger pourquoi on va les enlever pour amener quand même de nouveaux restaurateurs Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour dire qu'ils ont servi 52 000 repas. Nous, on ne leur a pas demandé quand même de nous amener des, comment ah, des pommes de terre et autres. Là, c'est pas ce que nous avons payé. Tout celui qui a vécu vraiment les calvaires, Moustapha, parce que c'est vrai, Moustapha, il fait partie vraiment des gens vraiment qui sont battus vraiment pendant tous les halitats. Là, vraiment, nous le reconnaissons. Il est d'ailleurs même, ah, peut-être même le seul vraiment qui s'est battu vraiment pour les gens, mais il y a des réalités, Mustafa, qu'il faut pas se casser vraiment, et, eh, comment dire, de le voir. C'est-à-dire que le problème de Bureau 38, là, ça, c'est une réalité. Les gens, ils n'ont pas mangé à leur faim. Moi, j'étais témoin avec le chef de cabinet du, de, du commissaire. Ah Nous étions là-bas juste à 17 heures. Quelqu'un qui doit être servi à, comment et à 13 h qui n'a pas mangé jusqu'à 17h, 19h. Il y a d'autres, c'est à minuit qu'on les a servi à, à Benokoma de Reza et à, à Le les repas du midi. Est-ce qu'on va dire que c'est à ce type-là à manger Et puis ce qu'ils ont amené, c'est des trucs préparés en ville. Avant même que ça vienne, se pourri. Les gens, ils ont jeté dans les poubelles. Ça, vous pouvez confirmer. Je peux même jurer sur ça. Les gens, ils ont mangé vraiment pour ne pas mourir mais ce n'est pas ce que vraiment les gens attendaient vraiment du restaurateur. Ça, c'est une réalité que personne ne peut, euh, euh, euh comment dire, Ça, c'est une réalité, mais on n'a pas incriminé un dire que, ah, qu'on n'a pas signé de contrat avec les restaurateurs autres. Nous n'avons pas dit ça. Mustafa Kadi a le temps de revenir avec le, président. Apparemment, euh, la restauration n'a pas été du goût des, pèlerins. Oui, ce point est tout à fait légitime c'est-à-dire de le revendiquer. C'est tout à fait normal. Et puisque avant, c'est-à-dire avant le démarrage euh, de Mina, nous rencontrons tous les restaurateurs et nous échangeons sur les menus. Donc chaque restaurateur, il sait quel menu il doit servir au aux Nigériens. Mais en cas de défaillance, le menu ne peut pas être respecté puisque nous n'avons pas signé avec la Moassasa. Oui. La moassa, elle, elle se substitue. Et une fois qu'elle se substitue, elle commande ce qu'elle peut trouver sur le marché. C'est ce qui fut fait. Et nous-mêmes, nous, l'avons déploré. Et c'est pourquoi nous avions dit, malgré cela, il faut indemniser les Nigériens suite au préjudice subi. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont été indemnisés à ils, ont été indemnisés pour un montant de 448 890 rials, reparti comme suit. Le groupe Nassia, a reçu 183 170 rials. Le groupe Didiari a reçu 42 120 rials. Le groupe Bonferré a reçu 62 920 rials. Le groupe Al-Iza, 38 350 rials. Le groupe Rahama, 48 360 rials. Et enfin, le sixième qui est le groupe Al-Bayan, 73 970. Et depuis lors... Bon, vous multiplié par environ 180 et quelques, vous allez avoir euh, le, le, montant en CFA. Monsieur Moumouni, vous disiez tantôt que le menu n'était pas à, à, l'attente. Est-ce que c'est tout au long du Hajj ou bien c'est uniquement au niveau de l'étape de Minak Non, mais les, comment, la restauration, c'est uniquement est, est prise en charge uniquement au niveau des minas. Donc euh, l'indemnisation là que je euh, euh, comment dirais Mustafa vient de parler, c'est-à-dire que le jour de comment tu sais ce qui s'est passé, c'est pourquoi vraiment nous déplorons, je ne sais pas, ils font ça sciemment ou bien c'est pas, ou bien il y a quelque chose comment dirais derrière. Le fait que les restaurateurs, euh, comment dirais-je, même a reconnu que vraiment les restaurateurs vraiment étaient défendus. Il il y a un PV qui a été dressé, c'était devant moi que le, Mina, avec, euh, avec le chef de cabinet de, euh, du président du Coro, avec le traducteur Abdelai, avec euh, les représentants de plus les représentants de du bureau 38. Dans le PV, il a été clairement dit que le restaurateur est défaillant. Donc, il doit rembourser à 100%. Ce que Mouassa a amené là, c'est pas ce que nous, nous avons, c'est pas le contrat que nous avons signé. ça n'avait pas de contrat de restauration avec les pèlerins nigériens. Et elle a juste pris le relais, le temps de, gérer la situation. voilà, il a pris le relais. Voilà. les chiffres que Moustapha a annoncés là, on ne sait pas ça fait combien. Quand on a fait les calculs, ça fait 22 000. 22 000 francs CFA par rapport à ce que les gens ont payé. 22 000 par pèlerin. 22 000 par pèlerin 22 000 francs par pèlerin. Oui. 22 000 francs par pèlerin. Dis ce que vraiment les pèlerins ont payé. Vraiment, c'est déplorable. Si vraiment, je que, eh, bon, c'est après que nous sommes rendus compte que, parce que le jour vraiment de la cérémonie, on nous a pris vraiment en vitesse comme ça. On est venu, ils ont monté vraiment un montage avec la télé et tout, tout, tout. Nous, on a même intervenu. Mais, par finir, quand on a, comment quand on a ouvert vraiment eh, les enveloppes, nous avons dit que vraiment ce n'est pas vraiment à la hauteur vraiment de ce que vraiment les pèlerins nigériens vraiment attendaient vraiment d'eux. Ils doivent vraiment nous associer. Si c'est les, comment dire, c'est qui a, comment qui a imposé ces montagnes-là aux pèlerins, vraiment, comment dire, ils n'ont pas vraiment mis les pèlerins nigériens vraiment dans leurs droits. D'accord. Si c'est le Coho, c'est pareil. Ils doivent nous associer, nous, eh, ah, ben, en tant que, chef d'agence, nous associer pour qu'on en discute, pour voir vraiment, pour arrêter vraiment que sommet 22 000 francs, vraiment c'est insignifiant. Nous, nous considérons ça vraiment comme une trahison. D'accord. Parce que les gens, ils n'ont pas été mis vraiment dans leurs droits. Monsieur Moumouni, tout à l'heure, Mustafa Kadi disait que les pèlerins, la plupart des pèlerins nigériens vont en pèlerinage sans suffisamment de moyens financiers euh, pour se prendre en charge durant tout le, le rite en tant qu'agence, qu'est-ce que cela vous cause comme difficulté Bon, sans moyen financier, moi, je, euh, moi, je ne peux pas les dire. suffisamment. bon, ah, ah, ben, suffisamment, ça m'étonnerait. Parce qu'on voit à la Mecque ceux qui, qui se donnent vraiment à la mendicité. On n'a jamais vu vraiment les Nigériens. Si vraiment ces cas se présentent, c'est parce que souvent, c'est le séjour vraiment qui est long. On ne nous laisse pas vraiment signer les contrats avec les avionneurs. C'est ça la réalité. Les hajis passés, on a signé vraiment les contrats d'avion à notre insu, en cachette. C'est ce qui a amené tous ces problèmes vraiment comment, des bagages. Et tous, les, ah, ben, comment, tous ces problèmes-là. Mais cette année, le Hajj n'a pas été aussi long. Moi, n'ai pas connu. Non, non, non. C'est-à-dire que ça n'a pas été long. Tu sais, et comment ça... et le Hajj, c'est après, c'est après le Hajj que les séjours, les gens voient que vraiment le séjour est long, bien c'est pas pas avant le Hajj. Donc, les, ah, ah, il y a des gens qui ont fait plus de, comment ah, plus de 20, 22 à 23 jours après les Hajj avant de venir au Niger. Ce n'est pas avant les Hajj. D'accord. Les séjours par rapport aux années antérieures, les séjour n'est pas long. D'accord. Et comment dire ça Moi, je ne peux pas dire En tout cas, moi, je n'ai pas rencontré un Nigérien vraiment qui a mendicité vraiment par manque de moyens. Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord, je reviendrai à vous dans un instant. Mustafa Kadi, vous avez commencé justement à évoquer cette question. Certainement, vous avez vu beaucoup de cas Bien, entendu. Je, pense que, bon, peut-être que M. Moumouni ne veut pas euh, s'étaler là-dessus. Mais je, confirme qu'il y a des Nigériens qui ont très peu de ressources pour se prendre en charge. Et d'ailleurs, c'est cela même qui a alimenté cette situation de soi-disant les Nigériens n'ont pas mangé, etc., etc. Puisque le séjour de Mina, c'est-à-dire celui qui reste pendant longtemps, il passe quatre jours à Mina. Ah et donc, le cinquième jour, il continue. Et, et, conformément au programme qui a été établi cette année, les Nigériens n'ont, enfin pas les Nigériens seulement, mais en général, presque tous les États n'ont pas dépassé les deux jours après Arafat. Ce qui fait que, donc, on est resté à Mina pendant environ trois jours. Mais nous, nous étions restés jusqu'au départ du dernier pèlerin. Parce qu'il y, a certains qui disent, nous, nous allons rester pendant les cinq jours, conformément euh, au rite. Puisque le prophète a passé cinq jours, selon, selon, selon certains, nous allons aussi rester pendant les cinq jours. on est resté avec les derniers pèlerins. À la fin, nous étions rentrés ensemble. Donc, pendant seulement deux, trois jours, alimenter que les Nigériens avaient faim, étaient affamés, je reconfirme encore que c'est un peu exagéré. C'est mon appréciation. D'accord. On, laisse ça. <laughs> Donc, maintenant, c'est un conseil, en fait, que je donne. Pas seulement à l'endroit des chefs d'agence ou des chefs de groupe. Ce conseil concerne l'ensemble des Nigériens. Quand vous allez eh, payer le Hajj à votre frère, essayer de lui donner assez de provisions, c'est-à-dire assez de moyens. Puisque déjà, même euh, dans les textes religieux, on dit celui qui n'a pas les moyens ne doit pas faire le Hajj. D'accord. Mustafa Kadi, on, continue. Le nombre de médecins a été réduit de 24. Ils sont pour cette édition du Hajj juste un peu plus d'une dizaine pour le quota de, de 15 000 pèlerins. Mustafa Kadi, pourquoi cette réduction Bon, d'abord, euh, la, cause est liée directement à la situation financière. Ah Puisque le montant alloué pour la mission n'était pas suffisant pour prendre en charge une, importante équipe. et d'ailleurs, je pense qu'on doit même rendre grâce à Dieu Imaginez, malgré euh, euh, l'effectivité de, l'équipe, c'est-à-dire euh, malgré que c'est une petite équipe, si vous voulez, parce que peut-être que c'est comme ça qu'ils voulaient la qualifier, mais elle a su faire le travail qu'il faut. Il n'y a pas eu un impact sur le service sanitaire Non, je, n'ai pas connu. Négatif. Je n'ai pas connu. Je, sais qu'à la date du 17 septembre, le nombre de personnes consultées sur les 13 000 était de 6 728, dont 3 688 hommes et 3 040 femmes. Il y a eu des décès Il y a eu 6 décès. Euh, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Et parmi ces 6 728, 392 personnes ont été mises en observation, c'est-à-dire gardées pendant certaines heures. il y a mmh. eu des transferts dans les hôpitaux saoudiens, des Nigériens, au, nombre de 34, et les hospitalisations au niveau des hôpitaux saoudiens au nombre de 14, c'est-à-dire des personnes eh, qui ont dépassé 24 eh, heures dans les hôpitaux. D'accord, je reviendrai à vous. Monsieur Moumouni, est-ce que les médecins répondent euh, à, vos attentes Est-ce qu'une fois en terre sainte, ils ne se transforment pas aussi en pèlerins Bon, euh, permettez-moi d'abord euh, comment interagir par rapport comment au problème toujours des minas Parce que Moustapha il parlait tout à l'heure là de comment des de moyens. Donc c'est deux choses vraiment qui ne sont pas liées. C'est-à-dire que la restauration des minas comment euh, la prise en charge. Oui. Ah, allô Oui, je vous entends. Donc la prise en charge vraiment de restauration des minas. Donc c'est un contrat de cinq jours. C'est un contrat de 5 jours. Donc, euh, les vents, euh, euh, ben, et les montants est payé d'avance ici au Niger, à, la banque DIN, qu'on a payé la restauration et la projet. Donc, ça n'a rien à voir avec les moyens de, comment avec et, disant que vraiment les pèlerins vraiment pas les moyens. Ça, ça n'a rien à voir. Le problème de restauration des Mina ça ne concerne pas vraiment du côté du moyen hôtel parce que tout le monde a payé d'avance depuis Niger. Donc, ce pas le fait vraiment de passer 4 à 5 jours à Mina qui fait que vraiment les gens. D'accord, monsieur Mouni, on continue sur cette question, on n'a pas beaucoup de temps, on continue sur cette question des médecins. Est-ce qu'ils ils répondent à vos attentes Bon, cette année, euh, euh, cette année vraiment, euh, contrairement vraiment aux années antérieures, vraiment, euh, nous avons euh, apprécié vraiment la prestation de Abdenankoma de, médecins, malgré vraiment le nombre réduit. parce que souvent, quand les nombre est tout élevé, même que les gens ne travaillent pas. lui là, il ne moi, ah, il travaille pas, moi, pourquoi Abdel, ah, je vais travailler Vraiment, nous saluons vraiment la réduction vraiment de leur nombre, et ils ont bien travaillé. On n'a jamais rencontré vraiment un pèlerin qui nous disait que vraiment qu'il a été maltraité là-bas. Vraiment, c'est une nouvelle équipe donc, vraiment, les anciens là, vraiment, qui ne travaillent pas, on les a écartés. Maintenant, c'est une nouvelle et qui, vraiment, ils ont bien travaillé. D'accord. Parlons à présent des nouveautés de l'organisation du Hajj 2017. Quels sont ces changements au service cette année opérés par les autorités en charge du Hajj en Arabie Saoudite. On revient plus sur cette question du Mina, on en a largement parlé. Hein, puisque, en fait, dès au début, si tu as bien constaté, je n'ai pas voulu faire du ping-pong avec oui, M. Moumouni. Effectivement, je ne voulais pas qu'on fasse du et, et, Mais j'ai compris que, en fait, peut-être qu'il n'a pas bien compris la question. C'est le sentiment que j'ai. Parce que s'il avait compris, il n'allait pas revenir. Et d'ailleurs, une fois qu'il revienne, moi, je n'ai pas voulu encore lui donner suite, Justement, juste pour éviter les ping-pong. On ne doit pas revenir, on continue sur cette question des changements opérés par, le, par l'Arabie saoudite cette année pour l'édition 2000, sur la question sécuritaire, tout, tout, tout. Bon, écoutez, les, les, changements sont nombreux. Franchement, les, les, mesures saoudiennes cette année, elles sont, je crois, une cinquantaine. Hein. Bon, souvent, ce ne sont pas des nouvelles mesures mais on porte des améliorations. Puisque eh, le ministère du Hajj, chaque année, euh, révise les mesures dans le cadre de l'amélioration du Hajj. Parce que l'objectif, c'est de permettre aux pèlerins eh, d'effectuer son Hajj avec moins de difficultés. Parce que on ne peut pas faire du Hajj sans épreuve, hein, sans difficulté. Qui dit Hajj dit problème de vent mais comment faut-il euh, soit contourner ou résoudre les, les, problèmes, ou si vous voulez, contourner les obstacles. C'est ah, en fait ça la, réalité du Hajj. D'accord. Et, donc ces mesures, d'abord, non seulement euh, du point de vue sécuritaire, il y a des mesures sanitaires, il y a des mesures environnementales, il y a des mesures culturelles, il y a des mesures économiques, il y a des mesures sociales, parce que si vous avez bien étudier un tout petit peu la structure euh, du prix du Hajj cette année, vous allez comprendre que les Saoudiens eux-mêmes cherchent un peu d'argent à travers le Hajj. D'accord. Monsieur Moumouni, est-ce que les changements opérés euh, par l'Arabie saoudite dans le cadre de l'organisation du Hajj, est-ce que quelque part ça vous désavantage, vous en tant qu'agence Bon, ce que j'ai ajouté, je suis parfaitement d'accord avec euh, M. Fkadi, mais ce que j'ai à ajouter par rapport aux mesures, euh, aux nouvelles mesures prises par euh, l'Arabie saoudite, c'est, comment dirais-je, les passages d'Arafat. Comme vous le savez, les montants de, de passage d'Arafat là incluent, inclus, comment dirais-je, ben, dans les chèques de restauration et pour cette demi Mais cette année, rien que les, ben le séjour de Arafat, quelques heures, hein, ça ne dépasse pas 8 heures à, ben de 8 heures à 10 heures de temps. Pour chaque pèlerin, on a versé 80, à peu près 82, 000, 82 350 francs par, pèlerin. Donc, euh, euh, ben, cette, situation, jusqu'à présent, le ne nous a pas clarifié, puisqu'ils ont dit que c'est trois catégories. Il y a catégorie 200, Rial 300, Rial 500, Rial. Et nous, nous considérons que là où on nous a, on nous a hébergés, vraiment, c'est la catégorie de 300 réals, mais on a payé 500 réals pour chaque pèlerin, 82 500. Donc, cette question-là, je veux que vraiment que Moustapha parce qu'il y a des pèlerins qui nous écoutent et, qui veulent vraiment eh, eh, avoir vraiment des éclaircissements vraiment par rapport à ces problèmes-là. D'accord, Monsieur Mouni, le temps qui nous, est imparti tire à sa fin. En quelques secondes, mhm. comment améliorer les rage pour la prochaine édition Bon, améliorer les Hajj, euh, moi, je, ah, ah, ben, je pense que euh, le Coro, vraiment, nous ne sommes, ah, ben, sommes pas contre le Coro. Le Coro, le, vraiment, c'est ben, un partenaire que les gens ne savent pas. Et, euh, ne savent pas, c'est nous-mêmes qui avions demandé vraiment la création du Coro. Donc, vraiment, c'est une collaboration vraiment, ce que nous voulons vraiment avec le Coro qui vraiment, qui nous associe vraiment pour tout ce qu'il a D'accord. Mustafa Kadi Bon, d'abord, compris au tout début, on devrait aussi évoquer les, difficultés rencontrées pendant ce Hajj. Euh, nous avions connu la récurrence de l'importation de la cola, c'est-à-dire au-delà des normes acceptées par les autorités saoudiennes. Nous avons euh, constaté l'entrée en territoire saoudien de certains compatriotes refoulés il y a moins de cinq ans. Parce qu'en Arabie saoudite, si vous êtes refoulé, la norme qu'il faut respecter, c'est d'abord 5 ans avant de retourner. Nous avons constaté, M. Saini, la persistance de l'importation des produits prohibés. L'Arabie saoudite a publié une liste d'environ 4000 produits prohibés, dont des drogues, des produits de dépigmentation, par exemple, extra, extra. Et il y a des Nigériens qui se sont permis effectivement à transporter ce genre de produits. D'accord. Et je, je reviens là-dessus. L'arrivée exceptionnelle des personnes âgées nécessitant une prise en charge spéciale. D'accord. Mustafa Kadi, nous sommes malheureusement au terme <laughs> de ce forum. Je bien qu'on nous augmente 30 minutes <laughs> parce Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire dans le cadre de l'organisation du Hajj. Malheureusement, nous sommes au terme de ce forum. Euh, en résumé, on peut dire que le Hajj Edition 2017, euh, dans l'ensemble, s'est très bien déroulé, en dehors de quelques difficultés rencontrées au niveau euh, de la restauration à Mina. Euh, la persistance justement des, problèmes de bagage, la difficulté euh, qu'on rencontre avec les personnes engagées et la... par rapport au bagage. Nous sommes malheureusement au terme. Nous sommes malheureusement au terme de ce forum. Voilà, donc nous avons eu dans ce dans ce studio Mustafa Kadi, représentant du Coro, et en ligne Moumouni Adamou. Moumouni Amadi Doumans, président de l'association nigérienne des agences de pèlerinage, N'ap. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou. demain à partir de 18h. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.